Le premier sentiment, vraiment, je ne peux pas exprimer mes sentiments. Nous sommes vraiment fiers d'être euh, retournés avec euh, l'ensemble de nos parents. On n'a laissé personne derrière nous. On est venu avec nos gouverneurs, le chef de canton, le maire de la commune rurale et plus le préfet de notre préfecture. Vraiment, nous sommes fiers envers eux. Vraiment, nous, avons beaucoup de dettes envers eux, si je le dire. Donc, comme vous venez de voir, tout le village a été saccagé. Donc nous, voulons commencer d'abord en première étape de réhabiliter le CIC de Barois, plus euh, les écoles primaires, nos deux écoles primaires, école mixte et école franco-arabe. Après ça, nous demandons aux partenaires techniques et financiers de nous faire des, des hangars, des marchés hebdomadaires, plus euh, d'autres euh, lieux publics aussi et on est très content. Le gouverneur nous a accompagnés, il a fait le déplacement avec nous, on a passé la nuit ici à Barwa. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose, mais quand même, c'est qu'on souhaite qu'on voit la présence des bases qu'on nous a souhaitées. S'il y a la sécurité, les autres là vont venir. S'il y a la sécurité, la, reconstruction, et les activités génératrices de revenus, tout ça, nous espérons qu'avec l'aide du Tout-Puissant, ça va, ça va venir.